chers camarades, depuis mon intégration, mes besoins sont pris en considération. Mon identité respectée en tant que maire de la commune de Kédougou, j'évolue avec le sentiment d'être efficace et utile. Vous avez su apprécier et reconnaître non seulement mes qualités qui sont le fondement même de mes valeurs personnelles, mais également ma contribution dans l'atteinte des résultats et objectifs de notre entreprise. Chers camarades, l'attention et l'intérêt que vous portez à mon expertise, mes compétences, mon implication dans les activités politiques de Ben Yakar et la ligne directrice que je tente de suivre au quotidien me touche profondément. Je suis très honoré et merci beaucoup, chers camarades. Chers camarades, plus qu'une récompense, l'expression de votre satisfaction et votre appel à une collaboration à un niveau supérieur dépasse mes attentes. Je ne pensais jamais trouver une équipe aussi soudée au sein de Dakar Dendik. vous l'avez récemment démontré. À Pékin, ils ont compris que c'était le DG d'académie qui a organisé. Vous avez montré à son excellence le président Macky Sall, à la première dame, notre soeur, notre maman Marine Faisal qui est toujours à côté de son excellence. nous sommes là et vous avez démontré encore à Thiès que Dakar Dem est partout. Alors, chers camarades, je vous réitère encore toute ma gratitude et mes plus sincères remerciements. Chers amis, chers frères et sœurs, de cette cellule, en ce jour, comme le président l'a rappelé, le coordinateur, le 11 février je ne le savais pas que le 10 février, Dame Diop, qui est un ancien directeur, a célébré la même chose que moi. Cela montre encore une fois que les bonnes intentions, qu'il n'y a pas de hasard. Nous l'avons jamais choisi. C'est simplement par des discussions que nous avons constatées, nous avons décidé qu'il était temps de montrer au président de la République que 2024, c'est lui le président. On ne parle plus de candidature, chers camarades. On ne parle plus de candidature. Pourquoi Parce que le président de la République a déjà gagné. Il a gagné en 2024. Parce que ses réalisations sont là, sont visibles. Et tout le monde l'accepte. Et nous allons montrer le chemin à toutes les sociétés du Sénégal, à toute la population sénégalaise, ce que Macky Sall a fait et Dakar Demdik dina porter, porté C'est dynamique alors, euh, je prends l'entière responsabilité et je l'assume. Notre choix est son excellence Macky Sall. Il n'est sans doute, nul doute que nous avons fait le bon choix, car celui est aujourd'hui dépositaire de cette espérance. Ce n'est pas Macky Sall qui veut être candidat. C'est nous qui demandons au président Macky Sall d'être candidat. et il est l'unique candidat de Benoît Yakar. Nous avons son Macky et nous demandons à d'être candidat. Vous avez fait le bon choix. Les Sénégalais, dans leur majorité, ont déjà choisi le président Macky Sall. Permettez-moi de vous dire, chers camarades, chers invités, qu'aujourd'hui, le monde entier est en train de regarder notre pays. Partout, on est en train de se demander si les Sénégalais vont décider de se replier sur le passé illusoire. S'ils vont rompre avec la marche vers la sortie du tunnel, quitter la scène de l'histoire, céder à la défiance démocratique, l'esprit de division et de tourner le dos à l'espérance de lendemain meilleur. Ou si, au contraire, chers camarades, ils vont embrasser l'avenir, et l'avenir, c'est son excellence Makissa. se donner collectivement au nouvel élan, réaffirmer leur foi dans les valeurs qui ont fait d'eux un grand peuple, que le Sénégal c'est un grand peuple, un pays de la Teranga et à la tête de ce pays, un seul homme, un homme à qui on fait confiance, qui a fait cette démonstration, qui est son excellence Macky Sall, le visionnaire, le réalisateur. Bien sûr, nous voyons tout ce que nous voyons au Sénégal, mais nous savons exactement où est la vérité. Et la vérité est là. Celui qui veut voir la vérité le saura. Et c'est pour cela, avec lui, vous le savez bien, il ne cède sur rien des engagements pris vis-à-vis des Sénégalais. Tout ce qui court, concourt à la vigueur du Sénégal et à sa prospérité est mis en œuvre le travail est libéré. Beaucoup d'entreprises sont aujourd'hui soutenues. Sans Macky Sall, le Covid-19, on sait très bien où était le Sénégal. Et, vous l'avez vu, son excellence pour le président Macky Sall, son abus, je ne parle même pas du passé par rapport à Dakar Demdik, mais Inch'Allah, on nous aurons de nouveaux bus à Dakar Demdik pas simplement des bus, mais ce sera encore davantage. Parce qu'il connaît la culture de l'éducation par laquelle se construit l'émancipation et la création et l'innovation sont au cœur de son action. Les Sénégalaises et les Sénégalais qui se sentaient oubliés par ce vaste mouvement, par l'émergence, se voient aujourd'hui mieux protégés. Il faut savoir quand on veut voter pour Macky Sall, il faut aller dans les régions périphériques. Vous verrez ce que Macky Sall a fait. Et avec le président Macky Sall, force est de reconnaître que tout ce qui forge notre solidarité nationale est refondé, réinventé, fortifié partout sur le territoire national. Également, tout ce qui fait du Sénégal un pays sûr, où l'on peut vivre sans avoir peur, est aujourd'hui amplifié la laïcité républicaine est défendue, nos forces de l'ordre, notre renseignement, nos armées reconfortées. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un homme, sinon que l'accompagner Et c'est pour cela Dakar Dendik montre le chemin. Et vous êtes exemple. Je suis fier d'être votre directeur général. Nous en sommes conscients. Nous n'avons pas peur. Dakar Dembik est sur le chemin du rayonnement. Dakar Dembik sera partout au Sénégal. Tous les Sénégalais sentiront l'existence de Dakar Dembik. Comme vous le savez, c'est pourquoi, pour maintenir ce flambeau allumé, nous avons besoin de chacun, de tous les responsables politiques, économiques, sociaux et religieux de se mettre debout pour tout faire pour que le président Macky Sall soit notre candidat et soit le président à Alors, chers camarades, c'est pour cela désormais nous ne pouvons plus nous refuser derrière des visages ou des habitudes parfois hors normes. Nous allons nous montrer, nous allons montrer au président Macky Sall qu'aujourd'hui le Sénégal l'appartient et que le développement du Sénégal est avec lui. Alors, chers camarades de la cellule APR de Benobok Yakar de Dakar Demdik, nous tous, par notre présence ici et par nos célébrations, dans d'autres régions, bien sûr, dans tout le pays. Nous déclarons son Excellence Macky Sall, président de l'APR, investi candidat de Benno Bokayakar à la candidature des élections de